Le forum du studio Le forum du studio Le forum du studio Le forum du studio Le forum du studio Le forum du studio Le forum du studio Le forum du studio Le forum du studio Le forum du il est 18h15 à Niamey, c'est l'heure du forum du studio Kalangou. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou qui sont diffusés en direct par 45 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. Des programmes aussi disponibles sur notre page Facebook Studio Kalangou, notre site internet www.studiokalangu.org et sur WhatsApp. Aujourd'hui, le forum du studio Kalangou a pour thème Comment faire face à une invasion de criquets pèlerins au Niger. Selon les chercheurs euh, de divers horizons, il y a une faible probabilité euh, pour que les criquets pèlerins qui dévastent les cultures en Afrique de l'Est et euh, depuis plusieurs semaines maintenant atteignent les pays d'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale, rapporte le site d'information CIDEV.net. Sur place en Afrique de l'Ouest, on suit la situation des prêts à partir du centre régional Agrimet basé à Niamey au Niger. Au Niger, cette situation retient particulièrement l'attention des pays faisant partie avec le Tchad, le Mali et la Mauritanie des pays de la ligne de front en Afrique de l'Ouest. Ce sont des pays qui abritent des aires de reproduction des criquets pèlerins et où ceux-ci vivent en permanence et se reproduisent avant finalement de former des SM euh, pouvant se déplacer pour euh, dévaster les cultures sur euh, des très grandes distances, poursuit le site d'information sidev.net. Avec nos invités, nous allons échanger sur les conséquences d'une éventuelle invasion des criquets au Niger. Nous avons donc le plaisir de recevoir euh, Dr Madougou Garba, chercheur et chef de division des études sur les insectes à la Direction générale de la protection des végétaux. Dr Madougou Garba, bonsoir. Bonsoir et Oumarou Sambo Boubacar, chargé de l'appui conseil à la Fédération des coopératives maraîchères euh, du Niger, FCMN NIA. Oumarou Sambo Boubacar, bonsoir. Bonsoir. Au microphone, Mokhtar Hamadou. Docteur Madou on va commencer avec vous. Que peut-on savoir sur les criquets pèlerins et les sotorios Ok, merci M. Mokhtar. Je voudrais euh, faire cette discussion avec vous. Mhm. ce n'est pas pour me substituer au mhm. Centre national de lutte anti-acridienne mhm. qui a la charge de gérer ce problème de criquet pèlerin, mais je parle en tant que scientifique, en tant que chercheur, en tant que chercheur et en tant que cadre nigérien tout fait pour euh, vraiment éclairer un peu. La lanterne des populations. Exactement. Mhm. Donc ce n'est pas pour euh, me substituer au Centre national mhm. ou pour divulguer le plan de contingence euh, mhm, de l'État du Niger que le Centre a la latitude de gérer en toute indépendance avec les partenaires. Donc je parle en tant que chercheur et mes propos sont des propos de chercheur. Voilà. Donc maintenant, avant de, de répondre à cette question, j'aimerais dire d'abord que les criquets hein, sont divisés en deux groupes. Nous avons un premier groupe qui est constitué de Soturio. Mhm. Donc, les Soturio, c'est quoi C'est le cricket sénégalais, c'est Ornithacris, c'est Corsaria et bien d'autres. Ils sont aussi nuisibles à, Ils sont aussi nuisibles aux cultures. Et généralement, euh, c'est ces, ces, criquets que je viens de citer, le plus dangereux, c'est le criquet sénégalais qu'on appelle Odalus, sénégalais 6, et qui est, euh, le principal ravageur du mille, un des principaux ravageurs du mille, dans la zone sahélienne, en particulier au Niger aussi. Et donc ce criquet, et tous les ans, il fait des dégâts, mais catastrophiques, si des mesures ne sont pas prises. Et il y a d'autres euh, qui sont aussi des, ravageurs des cultures, parmi ce groupe de Soturio. Et je parle de je parle de je parle de Crossaria. Donc tout ça, c'est des noms d'espèces de, de dont je ne rentre pas dans les détails techniques, mais qui sont là, qui sont connus de tout le monde il y en a quelques-uns même qui sont consommés par la population. Hmm. Mais on a reviendra... Donc, ce n'est pas tous ces criquets-là qui sont consommables Non, non, non, non. Il y a deux, trois espèces au grand maximum que les gens consomment et qui se vendent sur les marchés. Euh, mais les modes de les attraper et la façon de les préparer diffèrent euh, selon les régions. Hmm. Donc, il y a ce groupe de Sotorio qui sont endémiques au Niger, qui sont là, qui sont dans la bande, bande agricole du Niger, qui font beaucoup de dégâts presque tous les ans. Si des mesures ne sont pas prises, euh, ces criquets peuvent provoquer des famines. Il y a l'autre groupe qui constitue le groupe des locustes. Donc, il y a le criquet pèlerin, il y a le criquet nomade, et il y a, le, un autre criquet eh, du désert qu'on appelle. Donc, tout ça, c'est le groupe des locustes. Et parmi ce groupe de locustes, nous avons le criquet pèlerin. Et ce criquet pèlerin, il est très particulier parce qu'il a des zones de reproduction et de grégarisation qui sont spécifiques et qui sont spécifiques dans chaque pays. Au Niger, c'est dans l'Aïr et dans le Tamasna, Il y a des zones de reproduction et de grégarisation au niveau du Mali, au niveau du, de, la, zone sud algérienne, vers, la, Mauritanie. Vers, la, euh, Mauritanie, vers, le Tchad. Donc euh, voilà les zones où ce criquet-là, il est à, l'aise pour se reproduire et pour faire des essaims qui se détachent euh, pour aller en ce moment là quand les populations sont très importantes aller vers des zones de culture pour chercher plus à manger parce qu'en ce moment-là. Ils sont aussi nuisibles pour les cultures. Ah, ils sont, c'est des criquets qui sont très très nuisibles pour les cultures parce que quand euh, un essaim se déplace, euh, il est attiré par la verdure et il se pose là où c'est vert. Et quand il se pose, euh, il consomme tout sur place. Dégâts. Il consomme tout sur place, quel que soit le stade de la culture. Et les dégâts sont catastrophiques et c'est synonyme de famine. Hmm. Voilà, donc ce criquet pèlerin, et euh, voilà une de ses particularités. Il peut se déplacer d'une zone désertique pour venir vers les zones de culture en quelques jours. Ils sont aussi consommables euh, Non, je n'ai pas vu, euh, en tout cas à ma connaissance, au Niger, je n'ai jamais vu quelqu'un consommer le criquet pèlerin. je ne sais pas dans les autres pays si les gens les consomment, mais au Niger, personne n'a jamais consommé le criquet pèlerin. Docteur Madou Garba, est-ce qu'il y a des risques liés à la consommation de ces criquets-là et tout dépend. Si les criquets, les sauterelles dont j'ai parlé, donc Ornithacris et qu'on appelle euh, en germain Dokana et en Hausa, Kafada, qui est l'espèce la plus consommée, la plus intéressante et la plus riche en éléments nutritifs, euh, cette espèce, si elle est consommée à juste titre, après l'avoir attrapée à la main et la faire bouillir et la mettre sur le marché, elle est très riche, elle est très nutritive et elle est, d'ailleurs plus nutritive que 100 grammes de viande. Si vous comparez 100 grammes de quelle que soit la viande à 100 grammes de ce criquet bien gras, <laughs> ben, moi je prendrais les 100 grammes de criquet au point de vue nutritionnel. Hmm. Voilà, donc euh, c'est très intéressant. Mais si vous attrapez ce même criquet avec des, du poison, donc vous faites une, pulvérisation d'insecticides, vous tuez les criquets dans toute la zone, vous les ramassez, vous les amenez au marché mais vous créez la catastrophe parce que vous empoisonnez les gens et ça peut avoir des, de, la mortalité humaine ou des, troubles euh, de santé, mais très très graves. Quoi. Mmh. Donc voilà. Donc si on ne traite pas avec euh, des insecticides, c'est des criquets qui sont consommables et qui sont très utiles. Mmh. Et indépendamment de la, de la consommation humaine, les criquets participent beaucoup à l'équilibre euh, au niveau de la chaîne alimentaire. Parce qu'il y a beaucoup d'êtres vivants qui vivent de ces criquets. je vais vous donner juste un petit exemple. Par exemple, le héron garde que vous connaissez, que vous connaissez Balbela, mhm. ou les cigognes, ou certains rapaces. L'essentiel de leur régime alimentaire est basé sur les criquets. Mhm. Et il y en a d'autres oiseaux qui sont aussi euh, très friands de criquets et qui se basent sur le criquet, les, criquets pour, pour, survivre et puis se, reproduire. Donc, même la, volaille domestique. même la volaille domestique. Donc s'il n'y a pas de criquet, vous, voyez, donc il y a certains régimes alimentaires qui sont un peu euh, euh, perturbés ou même rompus. Et donc, ça peut avoir une influence sur euh, l'équilibre euh, biologique. Mm. Voilà, donc les criquets, ils sont, importants, même, même s'il y a des grands ravageurs parmi eux. Mais quand même aussi, ils ont leur importance dans la biodiversité. Mm. Euh, docteur Marou Garba, le 29 janvier 2020, L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, a lancé un cri d'alarme face à la multiplication des criquets pèlerins de la corne de l'Afrique. Des criquets qui représentent une menace extrêmement inquiétante selon les propres termes euh, de l'organisation et sans précédent pour la sécurité alimentaire et les moyens d'existence euh, dans cette région. Que peuvent faire les États au Sahel en général et le Niger en particulier euh, pour être à l'abri de cette menace Bon, cette question devrait être plutôt posée au Centre national de lutte anti mhm. qui a vraiment le plan de contingence de gestion du criquet pèlerin mhm. et qui doit le, en, tant que chercheur, qu'est-ce que les États doivent faire Voilà, donc euh, moi en tant que chercheur, je sais que le centre fait beaucoup d'efforts. Mhm. Le centre a des bases secondaires et ces bases secondaires permettent de recueillir des informations écologiques suivant un pas de temps et ces informations sont envoyées directement sur une base euh, qui est connectée à la FAO à Rome. Et donc, ce n'est pas seulement au Niger, mais dans, les autres pays de la ligne de front. Et sur la base de ces informations, il y a des bulletins qui sont édités et des infos, des bulletins d'information, d'alerte ou de sensibilisation. Et c'est sur la base de ces, de ces, informations qui sont envoyées que la FAO sort les informations qu'elle vous a divulguées. Et c'est le centre qui est à l'origine euh, de, de ces, de ces genres de qui sont extrêmement importantes. le centre continue de faire son travail. pour faire face à, cela, le centre a déjà fait un premier travail de, de simulation en cas d'invasion acridienne. quelles sont les mesures qu'il faut prendre donc ce plan qui a été simulé en grandeur nature a permis de voir les failles du dispositif que le centre a mis en place. Moi, j'ai participé euh, à la, simulation de ce plan, c'est pourquoi j'en parle. Et donc, ce plan permet euh, au Niger de faire face vraiment à une éventuelle invasion acridienne en collaboration avec l'État du Niger, avec les partenaires euh, internationaux. Et donc ce plan, il est, est, il est opérationnel. En cas d'invasion, le, Niger va faire face à ça. Donc euh, c'est une réalité. Et je pense que ça nous permet d'avoir... De, euh, et aujourd'hui, au euh, mois où je vous parle, tout le monde le sait à travers les réseaux sociaux mm-hmm. que l'Afrique de l'Ouest pourrait être envahie par les criquets pèlerins. selon les premières informations qui ont circulé sur les réseaux sociaux, mm-hmm. c'était à faire mi-juin, début juillet. Mm-hmm. Et si les conditions météorologiques sont maintenues telles, donc euh, on pourrait s'attendre à une invasion du Niger euh, par le criquet pèlerin. Euh, docteur Madou Garba, comment les chercheurs doivent-ils se préparer pour faire face à une éventuelle invasion des criquets pèlerins au Niger Bon, je pense que à partir du moment où déjà il y a l'invasion, les chercheurs n'ont pas grand-chose à faire que d'appuyer les, équipes de terrain à travers des conseils pratiques, à travers de la sensibilisation pour que le travail de terrain soit beaucoup plus efficace. Mais en amont, par exemple, les chercheurs pouvaient chercher des méthodes euh, beaucoup plus souples au point de vue environnemental pour pouvoir euh, gérer les larves de criquet pèlerin, par exemple. Donc, euh, je fais allusion à un champignon qu'on peut utiliser contre les criquets, le criquet pèlerin, qui est le métarhizium et qui, qui, a une bonne efficacité sur les larves et éventuellement les adultes et qui peut euh, avoir euh, qui est respectueux des mesures environnementales, parce qu'il n'est pas aussi toxique que, les molécules chimiques classiques qu'on utilise du et autres. Donc, euh, c'est de penser à l'avenir à des mesures de lutte beaucoup plus respectueuses de l'environnement à travers, en, en, en essayant de mettre d'encourager l'utilisation et la production, la production d'abord de, ce métallisme dans les usines qui le font, et puis de, faire des tests. Est-ce que c'est bio ou bien c'est C'est du bio, mm-hmm. c'est bio, c'est bio, 100%. Et ça peut, ça peut donner de très bons résultats. Ok. Oumour Samba Boubakara, est-ce que la Fédération des coopératives maraîchères du Niger, NIA, est-elle au courant euh, de cette menace Bon, mm, avant tout d'abord, je remercie docteur Vraiment, il m'a beaucoup édifié par rapport à ces cricket pèlerins. <laughs> Parce que euh, je n'ai, bon, franchement, parlé de certaines informations, c'est aujourd'hui que euh, je les ai vraiment découvertes. Euh, par rapport donc à la question du jour, nous sommes au courant, donc vraiment de, de ce mouvement, de ces criquets pèlerins, qui déjà sont en perpétuel mouvement. Euh, comme le docteur l'avait souligné aussi dans son intervention, je pense bien que si les conditions météorologiques se maintiennent, donc euh, il y aura donc vraiment des probables invasions de criquets pèlerins, euh, comme tout autre ennemi des cultures. Bon, nous, ne sommes pas vraiment des spécialistes, mais nous, on accompagne nos producteurs. Mm-hmm. Parce que euh, les, invasion de criquets pèlerins c'est une catastrophe. tout ce qui est catastrophe, nous, au niveau de la Fédération de coopératives maraîchères du Niger, depuis 2010, euh, à partir de ces inondations qui font partie des catastrophes, nous avons donc vraiment, euh, nous sommes préparés d'avance. Euh, on, on, travaille sur les questions avant la catastrophe, qui est donc les questions de prévention, c'est des questions de sensibilisation, si y a donc, on a compétence sur des thématiques, on les forme. ce qui nous a permis de mettre en place des comités, des, comités euh, de surveillance, de suivi des risques agricoles au niveau de la fédération. Et au niveau euh, de nos producteurs, nous avons un dispositif. Ce dispositif, c'est le dispositif d'appui conseil, dont certains sont membres de ce comité, qui fait la remontée de données, quel que soit donc vraiment les risques agricoles. Nous avons travaillé aussi avec euh, certaines communes donc dans le cadre de la mise en place de ce qu'on appelle donc le système d'alerte précoce, qui est aussi pour nous des canaux de remontée des données face donc à tout ce qui est question de vulnérabilité, donc d'ensemble. Voilà donc vraiment euh, comment les données parviennent au niveau de la fédération. Pour les questions. Est-ce que vous avez des structures au niveau de toutes les huit régions du Niger Oui, au niveau de toutes les villes de région du Niger, mais exception à Agadez, où jusqu'à présent, nous n'avons pas pu mettre en place la section. Mais quand même, c'est toujours euh, d'actualité. Euh, mais au niveau de chaque région, nous avons une unité de section technique qui coordonne donc vraiment le dispositif euh, local. Donc les animateurs, je parle des animateurs et certains producteurs, il y a certaines, certains producteurs qui ont été formés aussi par les services compétents, comme la recherche, qu'on les appelle les brigadiers phytosanitaires, qui sont aussi des membres de la fédération. Donc vous voyez donc vraiment au niveau de chaque région, nous avons un dispositif dans le cadre donc vraiment de la, du suivi des cultures et aussi des menaces, des ripostes aussi. Mais on travaille toujours avec les services techniques parce qu'il y a certaines, certains domaines qui ne ressortent pas de nos compétences nous n'avons pas compétence, donc on est obligé d'informer à qui des droits et qui doit agir. Mais dans la réponse, nous sommes, nous sommes associés. Oumar Samba Boubacar, quelles sont les dispositions prises au niveau de votre fédération, la FCMANIA, pour faire face à cette menace euh, Cette menace qui est imminente Effectivement, c'est ça que je disais, c'est les structures qui vont nous remonter donc l'information. Donc la zone attaquée, nous, on fait référence au service mhm. de l'État. la, protection des végétaux. Oui, donc le service, dès qu'il a la qualité d'agir, c'est donc de voir, donc d'aller faire leurs investigations et donc de voir comment ils vont essayer donc de mitiger donc la lutte pour pouvoir donc vraiment arriver donc au bout, comme l'a dit le docteur. Euh, Omar Samboubokara, est-ce que les paysans et autres producteurs sont conscients du danger que représentent euh, ces insectes nuisibles Bien sûr. Bien sûr, très conscient parce que des fois, ça les rend même vulnérable C'est des choses, que ce soit les criquets pélins, que ce soit les autres ennemis de culture, les autres ravageurs, mais toujours, euh, docteur c'est parce que moi aujourd'hui, c'est même, je suis fier de le rencontrer parce que j'ai cherché partout son numéro, mais <laughs> je, je n'ai, pu mettre seulement la main sur le docteur Haji, avec lequel on a un peu travaillé. On me disait toujours, il est en mouvement, bon, écoute, tout compte fait, un jour viendra où on l'a, on va se rencontrer. Et c'est plaisir pour moi aujourd'hui de le voir sur ce, studio. franchement, parler tout ce qu'on fait dans la lutte contre les ennemis de culture, on le fait en association avec les services compétents. Nous, c'est la remontée de données. Et l'information, en alerte. Et c'est ça. Et s'il y a des choses, déorienter nos producteurs vers donc l'achat des produits phyto, comme certains des ennemis qui sont donc vraiment devenus du quotidien, qui des ennemis des cultures spécifiques telles que la tomate et autres là. On leur dit donc, euh, voilà, il faut essayer donc euh, de voir les services techniques de l'État qui vont donc essayer de vous conseiller par rapport à l'achat du produit. Parce que vous savez, le producteur, le plus important pour lui, c'est vraiment de ne pas avoir un ennemi de culture dans sa culture. Lui, il s'en fout de quel que soit le poison, il va l'utiliser. C'est pas son programme. Et nous aussi, nous sommes là, comme l'a déjà l'annoncé le docteur, l'équilibre. L'équilibre agroécologique, c'est important. Et le respect de l'environnement, le respect de la santé de Est-ce que vous faites la promotion des cultures bio et même euh, des insecticides bio Vous avez attaqué euh, une question qui me concerne parce que dans notre dynamique, la dynamique de l'État, j'allais dire la parce qu'on a, on nous, nous accompagnons donc vraiment euh, l'État dans ses efforts. Je pense bien que docteur est au courant de l'élaboration, ce qu'on appelle APCA, l'agence de promotion du conseil agricole. Euh, c'est la FCMNA qui a été identifiée parmi toutes les structures fêtières pour l'élaboration du contrat, du prototype de contrat pour les organisations paysannes et aussi les prestataires de privés au Niger. Et nous l'avons mentionné euh, en première ligne, le conseil phytosanitaire. En deuxième ligne, le conseil organique. Donc ça veut dire que nous sommes en train donc de faire la promotion donc vraiment de cette euh, euh, production organique. Nous on dit organique parce que bio là, c'est il faut la certification. C'est un processus. Mais organique, on espère si on n'utilise pas les, les, engrais chimiques, on n'utilise pas les produits les, plutôt les produits phytosanitaires chimiques, tout est naturel. Je pense bien on peut dire que euh, nous sommes en train en face d'un produit euh, organique et non un produit 100% chimique. Oumaru Sambo Boubacar, quelles sont les conséquences d'une éventuelle invasion euh, de ces criquets pèlerins mais c'est la, la, la, réduction et voire même l'annulation euh, de, la, de la, récolte dans certaines zones. Et là, c'est la catastrophe. <laughs> C'est vraiment c'est une des perspectives euh, famine ou bien des crises alimentaires aussi. <laughs> Docteur, vous me faites signe, vous avez quelques réponses à ajouter vu l'état général des cultures en mhm. ce moment, il mhm. euh, y en a des cultures qui sont au stade talage, d'autres sont au, stade de levée avancée. Mhm. Donc vraiment, il y a des petits stades intermédiaires. Si on a une invasion en cette période, vraiment c'est la catastrophe. Le criquet pèlerin, quand il s'abat sur les cultures, les gens seront obligés de faire des ressemis et euh, est en juillet ou en août, euh, ça, ne donne pas un bon présage pour une culture euh, qui puisse finir son cycle de développement sous la pluie. Et donc, il y aura des retards énormes, même s'il reste du temps. Il y aura des retards énormes qui vont être enregistrés au niveau des cultures et qui ne finiront jamais leur cycle de développement. Et vraiment, on ne pourra pas récolter grand-chose, malheureusement. Mais on ne souhaite pas <laughs> on ne souhaite pas que cette invasion arrive euh, euh, au Niger, mais si ça arrive, euh, je pense que les structures en charge sont, à pied d'œuvre pour, pour vraiment gérer le problème. Donc tout, est, tout est mis en place par les, services compétents du Centre national de lutte anti-acridienne, dont des équipes sont déjà sur le terrain et ils ont leur stratégie et ils sont vraiment des, informations le jour au jour sur euh, les avancées des, essais. essaims. Et donc, euh, nous pensons qu'avec ce que le gouvernement a fait, ce que le centre dispose comme compétences techniques et matérielles, je pense que si l'invasion arrive, euh, le centre peut, avec l'appui des services techniques de l'État, le centre peut gérer l'invasion acridienne. Docteur Garba, les pays du Sahel ont-ils aujourd'hui euh, les moyens euh, nécessaires euh, pour faire face à une éventuelle invasion du cricket vu le contexte actuel d'insécurité et de Covid-19 Ça, c'est compliqué à répondre comme question. même si les compétences techniques y sont, même si les moyens y sont, il y a beaucoup de facteurs qu'on ne maîtrise pas, notamment les facteurs de sécurité et les facteurs de santé donc ces deux facteurs peuvent euh, impacter négativement euh, la lutte contre les invasions acridiennes. Mais euh, à cœur vaillant, rien n'est possible. Voilà, donc, mais moi je ne suis, pas, suis pas très pessimiste, puisque c'est un mouvement d'ensemble. S'il y a une invasion au Mali, au Niger, au Tchad, les pays individuellement pris ne peuvent pas lutter contre les invasions. Donc c'est un mouvement d'ensemble au niveau de tous les pays, chaque, les, surtout les pays de la ligne de front. Mhm. Tous ces pays sont à, pied d'œuvre pour que euh, quand le criquet pèlerin arrive, pour qu'on puisse euh, avoir euh, une maîtrise de la situation nationale. Docteur Madou d'où viennent ces insectes qui sont nuisibles pour les cultures et les plantes ben, Tout à l'heure, je disais que le criquet pèlerin, il a une zone de reproduction et de grégarisation qui sont situées dans les zones difficiles. Donc euh, chez nous, c'est dans l'Aïr et dans le Tamasna. Mm. Ailleurs, c'est dans des zones très difficiles d'accès. Jusque quand vous prenez depuis le Niger en passant par euh, le Tchad. C'est là-bas leur nid. C'est la bande. Mm-hmm. C'est une bande. En fait, ce n'est pas leur nid, mais c'est leur zone de reproduction et de grégarisation. Et qu'est-ce que ça veut dire C'est des zones qui sont difficiles d'accès et qui ont des, des, climats très particuliers où souvent vous avez des écoulements souterrains. Il peut pleuvoir à 50 km ou 150 km, mais vous avez des écoulements souterrains qui arrivent à faire pousser la végétation qui est appétée par le kéké pèlerin. Et les conditions sont favorables, même s'il n'a pas plu dans Il n'y a pas assez de dérangement là-bas Non, pas. <laughs> ils, sont, à l'aise là-bas. Ils sont, plus à l'aise là-bas parce que maintenant, ils sont aussi protégés par, euh, par euh, l'insécurité. Hmm. Donc, euh, comme il y a des problèmes de sécurité, les gens ne peuvent pas aller pour surveiller leur niveau de population. Et à un moment, ça, ça croît, ça, se reproduit, ça se reproduit. Quand il plus il y en a à manger sur place, mais maintenant, il faut aller chercher ailleurs. Et c'est ça les essaims qui se détachent des zones de reproduction et de grégarisation, qui partent vers les zones de culture pour chercher à manger, sinon ils vont mourir de faim. Mhm. Donc euh, c'est comme ça. Docteur Madou Garba, dites-nous comment éviter ces risques-là Bon, il faut remonter en amont. Tant que les équipes nationales ou les, centres nationaux de lutte contre les criquets pèlerins mhm. arrivent à avoir les moyens à temps pour pouvoir faire des prospections régulières dans ces zones de reproduction et de grégarisation et à remonter les informations agroécologiques au fur et à mesure. Et ces criquets ne peuvent jamais nous surprendre. Mais il faut que le travail soit fait dans tous les pays de la ligne de front et dans les autres pays où, il y a des zones de reproduction et de grégarisation. Si nous on fait ça seulement au Niger, les autres ne font pas, on va être envahi à partir d'ailleurs. Si on ne fait pas, l'Érythrée ne fait pas, l'Éthiopie ne fait pas, le Soudan ne fait pas, l'Arabie saoudite ne fait pas, le Yémen ne fait pas, toutes ces, toutes localités de, reproduction où il y a des, aires de reproduction et de grégarisation, tant que toutes ces zones-là, à l'échelle de la bande, ne sont pas suivies et les niveaux de population maîtrisés vraiment dans l'œuf, on peut toujours s'attendre un jour ou l'autre qu'il y ait des, des, essaims qui se détachent et qui, se dirigent vers les zones de, culture pour chercher leur pitance. Et donc, ça va nous créer la famine, ça va nous créer le désarroi, ça va nous créer les sécurités alimentaires et, pas mal de choses encore. Mm. Omar Samba euh, Boubakara à quoi faut-il s'attendre dans les jours ou mois à venir si rien n'est fait je pense que le docteur l'a déjà annoncé. Hein. Si déjà le, le criquet pelin sont en mouvement, et si aujourd'hui, malheureusement, de hein, le fait qu'on n'arrive pas donc à avoir l'accès à leur zone donc de reproduction et de gargarisation, donc ça veut dire que la menace, elle est là. La population va augmenter. Là-bas, ils vont dévorer tout ce qui est nourriture. Et les zones de culture doivent s'attendre aussi. Donc euh, vraiment, les autres zones de verdure, euh, dans les prochains jours, ils vont essayer donc euh, d'émigrer. Bon, si rien ne fait, on ne le, souhaite pas déjà. Il y a un plan de contingence national qui est là. Et je pense bien que déjà, ils sont sur, à pied d'œuvre. Rien là, ils vont faire. Et je pense bien qu'avec l'aide de Dieu et leur foi et leur euh, abnégation, ils vont donc vraiment juguler. Comme l'avait dit, hein, c'est pas seulement un seul pays. Hein. Le Niger ça ne peut pas faire euh, face à ses ennemis redoutables. Parce que c'est des ennemis redoutables qui sont en voyage d'un pays à un autre. Même si le Niger parvient à faire, donc euh, c'est du Mali. Le Mali n'a rien fait, ça va revenir encore au Niger. Déjà, on a mis tout notre effort. Maintenant, ceux du Mali aussi se déplacent. Donc, ça veut dire que le, n'est pas écarté. Alors concrètement, au niveau de la FCM NIA, quelles sont vos attentes Notre attente, euh, je pense bien que c'est de, tout faire pour réduire les risques. Si la catastrophe est réduite, le risque est réduit. Donc ça veut dire que la catastrophe ne va pas être donc de grande euh, ampleur. On va sauver, on peut sauver ce qu'on peut sauver et ça peut permettre donc vraiment aux gens donc euh, avec certaines stratégies et peut donc joindre le, le, le deux Là, on ne va pas donc aller vers la famine généralisée ou bien la sécurité alimentaire. C'était ça. Je pense bien que déjà, eh, ils sont en train de se préparer pour vraiment euh, nos attentes, comme vous l'avez dit. Hein. ils vont faire quelque chose. Euh, nous ne sommes pas là pour savoir ça. Nous ne sommes pas dans leurs secrets hein. Ils ont leurs secrets et ils sont en train donc de travailler pour ça. Docteur Madou Garba, il y a beaucoup de consommateurs de criquets au Niger. Y a-t-il des risques euh, liés à la consommation des criquets des herbes traitées Effectivement, il y a des risques. Donc, quand on traite ces zones euh, avec un pesticide classique, qu'il soit phénitrotion, qu'il soit diméthoate, qu'il soit chlorpyrifos, c'est des criquets traités. C'est interdit de les consommer. comment faire pour les consommer eh, bah, <laughs> Déjà, je disais que moi, à ma connaissance, je n'ai jamais vu quelqu'un consommer le criquet pèlerin. Hmm. Donc, si le criquet pèlerin arrive, si on le traite, euh, si les gens ramassent, ils amènent sur le marché que personne ne paye. Ils sont hmm. tout jaunes ou bien ils sont tout roses. Ils ne ressemblent pas du tout au criquet classique qu'on vend sur le marché. Hmm. Donc, déjà, il y a une distinction nette à faire pour ceux qui sont vraiment accros du criquet. Mais euh, si euh, les autres espèces de criquets que j'ai expliquées au début, qui sont des sotorios, et qui sont endémiques à la zone du Niger. Mhm. Je parle de Ornithacris, Cravoisie, euh, angulifera ou euh, le criquet arboricole classique, Anacridium. Ces criquets peuvent être bel et bien consommés s'ils sont attrapés à la main. Mhm. à la main seulement À la main ou avec un autre moyen, mais jamais les pesticides. Mhm. S'ils sont pulvérisés avec des pesticides et ils tombent, après on les ramasse pour les amener sur le marché, ça, revient, ça rejoint l'autre, ce que je viens de dire. Hein. C'est une catastrophe et on tue les gens. Et même si on ne tue pas les gens, on dérègle beaucoup de systèmes hormonaux qui peuvent conduire à des maladies, euh, n'importe quoi. Hmm. Donc c'est interdit de manger les criquets qui sont traités avec Donc, les gens doivent faire extrêmement attention. Les gens ne doivent même pas consommer les, criquets qui sont traités avec des pesticides. Hmm. Si vous, voulez vous assurer que vous voulez consommer des produits, des, des criquets, assurez-vous qu'ils ont été attrapés à la main ou avec d'autres moyens ou le feu et que les gens amènent sur le marché pour consommer. Voilà. Et nous, euh, on a vu des cas où euh, des gens ont attrapé des criquets arboricoles avec euh, des pesticides classiques qu'on appelle pia-pia. Et ça a créé une catastrophe au niveau de la zone où les gens ont attrapé ce criquet, puisque il y a eu mortalité, mort d'homme et beaucoup de, problèmes de santé, ce qui n'est pas bon. Mais il y, a, un aspect qui est très important, il y a certaines zones où il y a beaucoup de ces genres de criquets. Et si le criquet arrive, il ne sert à rien de le traiter avec des pesticides. On peut l'attraper à la main et il est, cher. Un sac de l'équivalent d'un sac de 1200 kilos. C'est tout un travail attraper des criquets avec la main. Non, pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas un travail le matin de bonheur, quand vous partez, le criquet ne bouge pas. Mm. Et vous pouvez en attraper des, centaines, vous les mettez dans un sac, vous amenez à la maison, vous les faites bouillir, mm. vous les séchez et puis vous les mettez sur le marché. Mm. Et après, l'assaisonnement se fait dans ta famille ou dans ma famille ou dans sa famille. <laughs> Et il y en a qui sont, qui de ça. Et donc, euh, le sac qui coûte 100, de 100 kilos à peu près, il coûte 50 euh, 000 ou 60 000, souvent les, périodes. Alors que le sac de 1000, euh, il coûte 20 000 francs ou 25 000. Donc, euh, avec un sac de criquet, vous pouvez payer, deux sacs euh, de, de, selon vous, docteur, <laughs> ces criquets-là sont euh, à la fois nuisibles et, et importants. <laughs> Mais bien sûr, bien sûr. Euh, comme je disais tout à l'heure, euh, les criquets sont utiles. Mmh. Quand on les consomme euh, comme ça, ils sont utiles pour la biodiversité, ils sont utiles pour le maintien des équilibres au niveau des écosystèmes, mais aussi à beaucoup de ravageurs. Mmh. Des ravageurs des cultures maraîchères, des ravageurs des cultures pluviales, des ravageurs du riz, des ravageurs d'autres types de cultures, mais qu'il faut gérer vraiment dans un programme de gestion intégrée où on peut utiliser toutes les autres méthodes de lutte en premier et en dernière position, si on n'arrive pas à les gérer de manière efficace, on peut utiliser des pesticides euh, moins agressifs pour l'environnement. Donc euh, ça, j'y tiens beaucoup et je le précise. Donc ça, c'est dans un programme de lutte intégré. Vous utilisez toutes les autres méthodes de lutte. Si vous n'arrivez pas à avoir la satisfaction, maintenant vous allez au dernier cran, utiliser les pesticides de manière raisonnée, de sorte que ça ne soit pas... Euh, ça n'aura pas d'impact sur l'environnement. Beaucoup d'impact sur l'environnement. Euh, docteur Madou Garba, euh, est-ce qu'il y a des mesures élémentaires à prendre au niveau des paysans et autres producteurs là euh, pour éviter des risques des risques par rapport à la consommation des critères Non, des, non, des risques par rapport à une invasion, des risques par rapport aux attaques des cultures. Au, niveau, fois au niveau villageois, une fois que l'invasion, le criquet pèlerin, il atterrit au village, je pense que le paysan, il n'a pas grand-chose à faire. Mm. Parce que ça dépasse sa compétence. Mm. Ce n'est pas avec des petits appareils à pile ou des appareils à pression entretenus qu'on peut lutter contre le criquet pèlerin. en, amont, il y a, par, on, Contre, par contre, mm. nous savons que les larves de criquet pèlerin se déplacent uniquement dans une seule direction. Et là, au niveau village, on peut recommander aux paysans de faire des tranchées. Comme c'est des larves qui se déplacent comme euh, un rouleau, donc, au fur et à mesure que vous faites des tranchées, les tranchées se remplissent, vous fermez. Et au fur et à mesure. Des tranchées que les, trous là Oui, des tranchées quoi, de hmm. quoi, 80 cm ou, 100, ou, euh, euh, peut-être 25-50 euh, cm de profondeur, hmm. perpendiculaire à la marche à la, ah. de, la direction de, la bande larvaire. Mhm. et, mais toutes ces bandes, toutes ces bandes, toute cette bande larvaire, là, elle va au fur et à mesure rentrer dans le trou. Et puis maintenant, vous fermez le trou, vous faites une autre tranchée. Ça, les paysans peuvent le faire, ils ont les moyens de le faire. Hmm. Et surtout, le, pays, le criquet pèlerin arrive souvent quand les conditions hydriques du sol sont favorables pour faire ce genre de tranchées. Hmm. Donc, ça peut donner un bon résultat au niveau village. Ça, c'est sur les bandes larvaires. Mais sur les adultes, euh, à mon avis, euh, les paysans ne peuvent pas grand-chose. Donc, mais en amont, et au niveau national, c'est surtout les structures étatiques, par exemple le Centre national de lutte anti-acridienne, qui doivent euh, avoir les ressources nécessaires pour faire la surveillance des zones de reproduction et de grégarisation. Une fois que ces zones sont régulièrement suivies, on connaît les niveaux de population, on les ramène à un niveau acceptable où il ne peut pas avoir des essais. On ne peut pas les finir, mais on peut gérer le, on peut gérer le, germe dans l'œuf avant qu'il n'éclose. Quoi. Et c'est ça, que, c'est ça la surveillance. Et en ce moment-là, au lieu que l'État du Niger mette euh, des millions de litres de pesticides pour pulvériser sur l'environnement pour tuer le criquet pèlerin, ben, on met peut-être même pas la moitié pour euh, faire la, la surveillance et ça va éviter d'utiliser des pesticides et puis on va gérer le problème acridien dans sa source. Et donc, il y a un travail en amont important au niveau État, au niveau des, structures très spécialisées. Et, un autre aspect à faire au niveau en aval, quand le criquet arrive au niveau village, quand il y a des, des bandes larvaires, donc c'est de faire des tranchées. Et là, ça peut vraiment avoir euh, les deux combinés, ça peut avoir euh, un bon résultat et ça peut permettre euh, de gérer ce problème. Samba nous ne le souhaitons pas. En cas d'invasion, quelle alternative pour les paysans et les producteurs éprouvés Bon, en fait, en cas donc euh, d'invention, il y a toujours des alternatives parce que euh, les producteurs, c'est une que, dans une saison, d'une autre saison, on va les préparer aussi aux cultures de contre-saison, qui est une alternative pour permettre donc vraiment aux ménages déjà éprouvés de, pouvoir donc vraiment euh, renforcer leur capacité et de répondre aussi vraiment à des éventuels crise. Et ça leur permet donc vraiment, c'est cette stratégie, c'est l'écriture maraîchère et d'autres activités connexes qui leur permettront donc vraiment de gagner des ressources euh, pour vraiment euh, faire face donc à cette menace. Comme l'avait dit, hein, euh, nous-mêmes, bon, je n'allais pas parler de criquet pèlerins Dans les autres, dans le cas des autres invasions d'ennemis des cultures, il y a en amont on fait un travail, la sensibilisation, l'éducation donc en, en, partenariat avec les services euh, compétents parce qu'on se repose toujours, on se <laughs> toujours notre référence eux. Maintenant, pendant, euh, pendant donc vraiment euh, la menace, là aussi, il y a aussi ce qu'on fait. Donc, nous, on fait le soutien moral à nos producteurs, de dire donc vraiment de respecter les consignes des services techniques. Et on fait aussi, pour les petits ennemis de culture, la lutte intégrée. Et au cas où la menace euh, dépasse la capacité de notre première stratégie, on leur dit bon, écoute, allez-y vers donc les produits chimiques et il faut vraiment l'utiliser de manière rationnelle pour ne pas aussi créer d'autres problèmes aussi pour la santé. Et après la catastrophe, c'est ça les, euh, les stratégies d'adaptation aussi. Donc on prévoit dès que la catastrophe est là, on prend donc on, élabore des plans, des, projets, des autres choses. Et mais au niveau du producteur aussi, on, le, sensibilise pour vraiment aller vers des stratégies d'adaptation. Donc vraiment c'est comme ça qu'on travaille avec euh, ces producteurs parce que les, menaces là, ça peut venir à tout moment, même pas les criquets pèlerins. Hein. Mais même pas, les, on pourra les cliquer. Ah, d'autres, d'autres ennemis. Parce que, par exemple, en cas d'inondation, tu es chez toi, le producteur de la produit, un maraîcher, sa, sa tomate est euh, en période donc vraiment de récolte. Il fait sa première récolte, la deuxième récolte, au mois du pic. Tout, le matin, il vient, il trouve sa, sa, culture donc, plein de sous l'eau. <laughs> Comment va, va faire il est impuissant face à ça. Il faut qu'il développe. Il faut que nous, on le vienne on vient donc à leur soutien. Sur le plan vraiment de le, maintenir à un niveau euh, de morale et, aussi préparer aussi de la culture prochaine avec eux. Euh, docteur Madou Garba, quels sont vos conseils et recommandations pour lutter efficacement contre l'ensemble des ennemis des cultures au Nous avons beaucoup d'ennemis des cultures par, exemple, euh, un, dont on n'a pas parlé, c'est la chenille mineuse de de 2000, mhm. qui fait énormément de ravages, qui, à la limite, provoque euh, beaucoup de famines dans beaucoup de localités. Mhm. Mais aujourd'hui, euh, nous avons des moyens sûrs pour gérer ce ravageur. donc, en tout cas, globalement, pour gérer tous ces ravageurs, l'État du Niger tout seul ne peut pas faire le travail. Il faut la participation des organisations, des structures organisées pour une remontée des informations fiables et à temps. Parce que si vous n'avez pas les informations fiables et si elles ne remontent pas à temps, vous ne pouvez pas faire des prévisions ou une planification pour la gestion de ces ravageurs. Parce que vous savez que les ravageurs n'arrivent pas tous en même temps. Il y en a qui arrivent, euh, ils finissent leurs dégâts, d'autres arrivent, euh, par exemple le cuquet, ils arrivent euh, au semis, si vous les gérez, euh, après, c'est à l'épiaison, la chenille mineuse ou les insectes floricoles arrivent. Si vous les gérez, après, ce sont les oiseaux granivores qui s'attaquent à vos, vos, stocks, euh, vos, votre euh, truc. Et si vous, mettez en stock dans votre grenier, vous pouvez avoir les rongeurs et tout ça qui peut venir. Alors, donc, vous avez une saccade d'ennemis qui s'attaquent à votre culture, que ce soit votre mil, votre riz, votre sorgho, votre maïs, du semis jusqu'à la conservation. Alors donc, euh, si on veut gérer ces ravageurs qui viennent de manière sporadique, euh, suivant euh, le stade de la culture, il faut une remontée des informations utiles à temps et une synergie d'action entre tous les partenaires. Parce que s'il n'y a pas de synergie d'action, on ne peut pas gérer les problèmes individuellement l'élaboration d'un plan de prévention des risques acridiens et d'un plan de riposte aux criquets pèlerins et de suivi régulier de la campagne agro-pastorale font également partie des composantes du plan de campagne agro-pastorale 2020-2021. Nous sommes au terme de ce forum de Studio Kalangou. Nous avons eu le plaisir de recevoir Dr Madou Garba et les chercheurs chef euh, division des études sur les insectes à la Direction générale de la protection des végétaux et Omar Samba Boubacar, chargé de l'appui conseil à la Fédération des coopératives maraîchères du Niger, FCM NIA. Merci à nos invités et à vous tous pour votre fidélité au programme du studio Kalangou qui vous parvient grâce à nos 45 radios partenaires. Merci aussi à la technique côté son assurée par Mustapha Ayouba et côté vidéo Seni Isaka. Merci, au revoir.